شهدت أن ربنا له الوجود وهو ما يسر وقي جميع المحسنين ما سر اكتب لنا بحق وجهك الكريم Yeah. Amen. تدري هلت مجيب سميا فبالذين آمنوا asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon yéen mbokki taalibi yéen mbokki jullit yi yéen ñi doon topp seen télévision Al Mouridiyyah yéen ñi doon topp ci internet bi kon lii mooy njàng mi nga xam ne kuréel 1 bu daaray Touba moom lañ andiloon tey muy njàng mu am solo ñëpp béggee ko ñëpp teewlu ko euh, ba tey ji 18 h jot na mel na ni kon waxtu wi ñu mënoon waajaloon jot na euh, ñu teel a wax ne suba moom kuréel 2 bu daaray Dakar ñoom ñoo yore njàng mi. ñi nga xam ne ñoo war a teeru sëriñ bi gunge ko mooy kuréel bu daaree Mbàkke lool ñu teel leen ko wax kenn ku ci ne waajal ko loolu tamit njàng mu am solo lay doon suba. li nga xam ne moo ci am solo tam ñu war ko fàttaliwaat mooy fii ñuy wax ak yéen sëriñ bi mi ngi waaja dem waaye nag xam ngeen ne ñu bare fursa bi ci la ñuy sukkandiku ngir mën koo siyaar mën a saafonteeg moom balaa muy génn ci saal bi saal bi bu ko génnee. ñi nga xam ne ñoo ko war a gàttandu war koo gungewaat mooy kuréel bi nga xam ne ñoo koy yoroon muy kuréelu daari Hizbut Tarqiyyah bu Mbuur kon lii mooy programme bi ñu leen andiloon sëñ Modou Kébé bu fekkee ne yéen topp ngeen xam ne kon ñu jëbbalaat leen antenne bi su ko defee ngeen wéy ci Al lii mooy programme bi ñu leen andiloon tey euh, fidèles téléspectateurs d'Al Mouridiyyah euh, nous venus Nous voici donc arrivés à la fin de cette déclamation euh, dont la charge euh, euh, qui avait été dédiée au courriel 1 euh, de Touba, de la Dar Touba, dirigé par Seri Chef Nadjad, qui en est le maître de cœur. Et c'est un programme, n'est-ce pas, que vous avez vécu avec nous en direct sur les réseaux sociaux, mais également sur, sur votre télévision al C'est un moment donc que les gens ont encore vécu, n'est-ce pas, et le temps passe très vite tellement les mélodies qui nous sont proposées sont des plus suaves. La dextérité, n'est-ce pas euh, C'est ce qu'il y a de mieux partagé parmi toutes les, tous les chorels qui ont eu à défiler ici. Et nous rappelons que demain, c'est le courel 2 de la DAR de Dakar qui sera à l'honneur et qui va déclamer une heure durant les, les, de Cheikh Khadim. Euh, sans plus tarder, nous allons présenter une autre, n'est-ce pas, des productions du verre de Cheikh Bamba c'est une euh, production peut-être qui n'est pas dans le programme qui a été déclamé, mais nous nous euh, reprocherions de ne l'avoir pas présenté parce que c'est un spécimen dans la liste des productions de Venetia Amrabamba dédié au Coran. On sait que le chef en a beaucoup produit. Il y a beaucoup d'acrostiches sur le mois de Ramadan et on atteste les nombreuses euh, productions qu'il a faites dans un recueil comme Mourdarine. Mourdarine qu'il ne faut pas confondre avec le, titre qui a, pour, qui a nom de l'année. Ceci est un recueil dans lequel le chef a fait beaucoup de euh, titres qui sont dédiés au mois de Ramadan. C'est pourquoi donc nous nous ferions le reproche de ne pas le traiter avant que la boucle ne soit bouclée. Parce que figurez-vous, Yachar et c'est le générique même de votre retransmission en direct. Et c'est donc euh, une production qui s'invite chaque jour dans le programme. C'est pourquoi nous tenions à le présenter. Et ce qui lui confère cette légitimité, cette notoriété, ce droit de citer dans la liste des productions que nous traitons, c'est le fait que le vénéchable qui est le troisième du bouddhisme avait fait un témoignage disant que Yahya Daifi, c'est c'est le titre par lequel il avait accueilli le mois de Ramadan quand il était dans l'exil. Et au moment de euh, partir le mois de Ramadan, quand il partit, donc à la fin du mois de Ramadan, il l'a raccompagné par la Boucharati. Donc ce sont deux titres fétiches qui sont de véritables spécimens dans la production du Cher au plan des titres qui concernent le mois béni de Ramadan. C'est pourquoi donc nous avons tenu à y revenir, même s'il ne figure pas dans la liste des productions qui ont été déclarées aujourd'hui il y a aussi le fait que le chef a beaucoup écrit relativement au mois de Ramadan. Beaucoup de titres sont des accrochés sur le mois de Ramadan et beaucoup de ces titres également concernent ce mois béni et tous les bienfaits qui sont attachés à ce mois. Donc il est loisible pour tous nos euh, amis internautes de consulter euh, cet ouvrage en français parce qu'il a été traduit par la euh, commission culturelle de Khie, la commission de traduction qui intègre le comité scientifique a traduit et il suffit d'un clic pour pouvoir le consulter sur internet. Donc notre dévolu, nous allons le jeter aujourd'hui sur Yaharadeifi, Defi, contraduit par Otoa l'éminent hôte. Otoa l'éminent hôte, n'est-ce pas c'est un titre qui fait 14 vers, qui n'est pas très long. Et dans le préambule, le chef précise que c'est un titre qu'il a euh, euh, fait, euh, c'est une production qu'il a faite, n'est-ce pas, qu'il a composé en 1315 de l'Égypte, c'est-à-dire deux ans après le démarrage de l'exil, donc vers les années 1897. Donc il était en ce temps-là au Gabon et il a composé Ya Khair pour accueillir le mois de Ramadan. Et au moment de la fin du mois de Ramadan, il il, composera yazel Boucharati. Donc c'est un titre sur lequel nous allons revenir, Inch'Allah, avant la fin du mois de Ramadan. Et il faut dire donc que c'est un euh, de la métrique bassite, c'est un dalier parce que tous les vers se terminent par la lettre dal. Et pour l'étude, il y a deux aspects que nous allons faire ressortir. D'abord, l'étude énonciative sur la, le pré